cher NTS donc euh, je tenais juste à faire un audio pour rassurer l'un déjà et pour voir l'un de cette affaire y a faut pas comprendre mais l'un de ça a un rapport avec le mouvement ça a un rapport avec le mouvement parce qu'actuellement actuellement gens qui bëgg donner le mouvement bi da ngay qu'il est les mais lui, c'est un truc privé pour xamante ni dama avec un ami d'enfance boo xamante 20 ans ñu ngi un ak mais en début, sax du ànd c'est juste que ni c'est quelqu'un bon xamante il il il nous a il a il nous a beaucoup aidé dans le passé surtout pendant la période des vaches maigres il nous trouvait des fois qui sont nos appartements, suñu appartement fayal ñu trois mois de loyer jëndal ñu euh, ravitaillement pour voir l'un un peu régler nous ñu seq que on est très proche da doon jógee Dakar dem ba Kaolack seeti sama yaay ne ko mère damaa ñëw jël si sama ñaan yendu fa añ te duma ko sax yëg kon kooku jegeyaantoo nañ il est venu me présenter un cas que nous devons évacuer Yobuko ko euh, mu alors bu deglo ci vidéo bi sax euh, di le gars il a tout fait pour dire sax dougal pour ma wax yenn wax yi on a expliqué même des anecdotes yo xamanteni ni nañ ko alors je pense que ni ku bëgg a mbuxum visa do jaar ci consul yéen a ngi ci vidéo bi ma ngi don out ay contact comment faire pour joindre le consul comme c'est un cas urgent urgent bañ a jaar ci ay dépôt surtout période Covid bi dépôt amul alors du coup bref lii est affaire bi bu leen euh, bu bugguma keneen jox explication mais plus tard demain Inch'Allah, je vais faire un point de presse bo le maintenir. ce sera fait face à la presse et voilà sénégalais yi ils ont besoin de de de de de comprendre de nous certes ñu comprendre am nous comprendre et vraiment, je vous présente mes plates excuses. Coup tout le monde, c'est toujours comme ça. Si au moment ni moi metti Et, Djadjef, on love les frères.